le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio Messieurs, Mesdames, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, le forum euh, du studio Kalangou a pour thème à peine de mort quels sont les obstacles à son abolition au Niger. Le 10 octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale contre la peine de mort, une journée marquée un peu partout avec diverses activités menées par la coalition mondiale contre la peine de mort. L'objectif étant de faire le tour de la situation et mener un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Pour savoir ce que la peine de mort, le chemin parcouru au Niger et ce qui freine son abolition, nous recevons dans ce studio Garba Ilou Al-Mokhtar de la coalition nigérienne contre la peine de mort. Bonsoir, Monsieur Al-Mokhtar. Bonsoir, Madame. Al-Mustafa Moussa Idé de la Commission nationale des droits humains. Bonsoir à vous. Madame, bonsoir. Mohamed Lawal Bari, il est juriste. Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame. À la présentation, fils Adam Sirfo. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'aborder les grandes lignes de cette émission, veuillez nous présenter les missions principales des structures que vous représentez. Je commence par vous, Al-Mokhtar, de la coalition contre la peine de mort. Merci, madame. Merci, Studio Kalango. Euh, effectivement, je suis M. Garbeulu Al-Mokhtar, président de la coalition nigérienne contre la peine de mort. Alors, la coalition nigérienne est une structure qui œuvre dans euh, la promotion des droits humains, le respect des droits humains et euh, au contour de la peine de mort. Mhm. Elle est composée de plusieurs euh, organisations de la société civile et installée dans toutes les huit régions du Niger. Mhm. Nous sommes aussi affiliés à la coalition mondiale contre la peine de mort depuis deux années. Ok, Merci. Monsieur Al-Mustafa, vous, êtes, euh, vous euh, représentez la CNDH Merci, madame. tout d'abord, euh, de l'opportunité que vous offrez à la Commission nationale des droits humains pour avoir l'invité à participer à ce, à ce débat. Mhm. comme vous le savez, la Commission nationale des droits humains, c'est une institution, une autorité administrative voulue par le législateur nigérien. Donc, c'est une institution vraiment, une commission indépendante prévue par euh, la Constitution de la République du Niger et dotée d'une loi qui fait d'elle euh, une institution qui n'est euh, sous aucune autorité. Mm-hmm. elle est composée effectivement des personnalités qui viennent des différentes couches. Si vous prenez par exemple qui, qui compose la CNDH, vous avez un représentant de la société civile qui est élu par ses pairs. Vous avez un représentant des enseignants, chercheurs euh, des sciences sociales, mhm. élu par effectivement ses pairs. Vous avez un représentant de l'ensemble des centrales syndicales vous avez un représentant des une représentante des organisations féminines, mhm. et vous avez un représentant des organisations des paysans, vous avez le représentant des magistrats, vous avez le représentant des barreaux, et enfin vous avez eh, deux représentants de l'Assemblée nationale qui ne sont pas des parlementaires. Pour dire que toute structure est représentée là-bas. presque toutes les couches socio-professionnelles sont, sont, sont eh, représentées. Et après ça, les commissaires, une fois élus, présentent avant de rentrer en fonction prête serment eh, au niveau de l'Assemblée nationale. Hmm. Après quoi, il se retrouve pour élire un bureau composé de quatre membres, dont un président, et un ou une vice-présidente, un rapporteur général hmm. ou un rapporteur général adjoint. Eh, il y a une administration qui est sous la coupe des, des, commissaires dirigés par un secrétaire général et un secrétaire général adjoint. Maintenant, dans le cadre effectivement de sa fonction de promotion et de protection des droits humains, dispose, elle dispose des, antennes régionales au niveau de l'ensemble du pays et, des points focaux. Voilà sommairement présenté eh, la CNDH. Mhm. J'ai eu à dire en, passant qu'elle a pour mission effectivement de promouvoir, de protéger et de défendre les, droits humains mhm. sur l'ensemble du territoire eh, national. Merci à vous. Euh, Maman Lawal vous êtes juriste. Quelle est la mission d'un juriste Bon, je suis juriste, juriste expert consultant en droit de l'homme et démocratie. Je suis aussi influenceur en éducation des droits humains d'Ikissa Centre international aux droits humains. Également, dans le cadre de mes activités à titre de bénévolat, je suis aussi consultant formateur à Congafen hmm. et au CEDOP, donc Centre d'éducation aux droits humains. Donc le rôle du jury, c'est de conseiller, d'aider vraiment au progrès de la société. Merci à vous. Et je reste toujours avec vous, Monsieur Barry. Euh, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la peine de mort. La peine de mort, qu'est-ce que c'est la peine de mort La peine de mort, comme l'a définit, c'est la suppression de la vie d'un condamné il faudrait pour qu'elle soit prononcée, il faut qu'il y ait un procès juste et équitable mhm. à l'issue desquels il y a eu toutes les preuves nécessaires de la culpabilité de la personne. Oui. De la personne jugée et à la fin que la sentence soit la suppression de la vie par la mort. Par la mort, oui. Oui. C'est une conception très ancienne, elle ne date pas d'aujourd'hui. Puis la nuit des temps, elle a toujours euh, existé. Mais de nos jours, je pense que elle doit être révolue. Je m'arrête là. D'accord. Et l'on entend souvent parler de peine capitale, d'emprisonnement à vie ou de la perpétuité. Alors, quelles sont les différences Quelle différence avec la peine de mort la peine de mort, autrement dit, c'est elle qu'on appelle la peine capitale. Mm-hmm. Donc capitus en latin, qui veut dire la tête. Donc à l'époque, on supprimait les auteurs des infractions qui sont condamnés mm. les par Voilà, on les exécutait par le fait de leur trancher la tête. Donc c'est ça, capital. Maintenant, la peine euh, d'emprisonnement à vie, ça à dire que ce n'est pas une peine de mort, mais la personne est censée passer ses jours en prison. En prison. Mm. Et c'est la même chose que la peine à perpétuité. D'accord, oui. Et, quels sont les crimes pour lesquels, euh, euh, pour lesquels la peine de mort est prononcée ici au Niger Les crimes pour lesquels la peine de mort est prononcée au Niger euh, sont multiples ils sont énumérés dans le code pénal. Citez-nous On ne peut pas tous les citer, j'en quelques-uns. <laughs> Il y a d'abord euh, l'assassinat, c'est-à-dire le meurtre commis avec préméditation. C'est-à-dire préméditation Préméditation, c'est-à-dire on a mûrement réfléchi à mm. l'avance, on a planifié. Ou « ou guet-apens, qui est aussi une attente dans un moment plus ou moins long le passage de la victime est de porter Donc là, l'assassinat est, est, puni, de mort. Mhm, mhm. Ensuite, après l'assassinat, nous avons les infractions en matière de terrorisme, mhm, le meurtre d'une personne jouissant par exemple de la protection diplomatique. Et il y a aussi d'autres crimes dont le Code a énuméré en fonction des circonstances, si après la mort ça n'est suivi la mort de la victime qui a eu préméditation. Mhm. La peine de mort est également encourue. D'accord. Et à partir de quel âge le criminel peut occuper euh, de la peine de mort À partir de l'âge de, la majorité. C'est-à-dire quand la personne a 18 ans révolu. 18 mhm, mhm. ans révolu, la majorité pénale. Parce que la peine de mort est inapplicable pour les mineurs qui sont auteurs d'infractions, ils peuvent écoper de l'emprisonnement à vie, mais pas de la peine. Et est-ce que ici au Niger, il existe euh, des cas de condamnés à mort Si oui, les derniers cas remontent à quand Il existe rien qu'en 2019, là, il y a eu au moins les assises de Niamey et les assises de Zender, où il y a eu des condamnations à des peines de mort pour un groupe de jeunes qui ont été jugés coupables du meurtre, de l'assassinat d'un expatrié. Ils étaient combien Le nombre, je ne sais pas, ils doivent être trois ou quatre, je pense. Je n'ai mhm. pas le chiffre exact. D'accord. Oui. Et il y a aussi un certain Badamasi, au niveau de, de Zender qui a occupé, écopé aussi de la peine de mort pour assassinat, D'accord. Nous allons revenir euh, vers vous, euh, Maître Bari Al-Mokhtar. Vous êtes euh, membre de la coalition nigérienne contre la peine de mort. Revenons sur cette initiative cette journée, d'où tire-t-elle ses origines et quels sont les objectifs recherchés Merci Madame. comme vous venez de le dire, la journée mondiale contre la peine de mort est dédiée par la communauté internationale abolitionniste autour de la coalition mondiale contre la peine de mort. Depuis 2006, la coalition mondiale a voulu préférer euh, dédier le 10 octobre 2010 de chaque année comme journée internationale contre la peine de mort. Et euh, cette journée est célébrée dans plusieurs pays et dans tout le monde, que ce soit dans les pays abolitionnistes, que ce soit dans les pays qui n'ont pas aboli et que ce soit dans les pays à risque. Mm-hmm. Donc, euh, cette journée s'adresse aux dirigeants politiques, à la jeunesse abolitionniste, aux organisations de défense des droits humains, aux religieux et, et, et surtout à toute la communauté internationale et le milieu carcéral. D'accord. Et dans le rapport euh, mondial d'Amnesty International sur les condamnations à mort et exécution 2018, il ressort que plus de deux tiers euh, des pays ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Alors, quel est le dernier euh, point de la situation ici au Niger quand on sait que en 2010, le Parlement de la transition, après des débats ou lieu, a voté contre son abolition Merci, Madame il faut le dire, au-delà de 2010, nous, on a relevé en tant qu'organisation euh, nationale de défense des droits humains qui œuvre sur la thématique, mm. nous avons retenu d'abord les efforts euh, du président Ali dans son temps, depuis 1987 en référence, qui a d'abord préféré gracier euh, des condamnés à mort à des condamnations à vie. Mm. Et les régimes qui se sont succédés ont pâti, ont ont continué sur euh, euh, cette, proposition et cette alternance. Ça nous a beaucoup plu, euh, à l'image du fait que jusqu'à 1976 aussi, aujourd'hui, il faut le noter, le Niger n'a jamais appliqué la peine de mort. Mm. Le Niger est un pays abolitionniste de fait. fait. Donc, ça n'interdit pas que le juge prononce c'est différent, il y a des nuances. et, ne pas appliquer la peine de mort n'interdit pas au juge de prononcer, parce que jusque-là, le code pénal qui est à jour au Niger maintient toujours les dispositions comme le juge vient de le dire. Donc, euh, euh, si on peut le dire, il n'y a pas d'espoir dans les efforts de plaidoyer ou bien Non, euh, avant de faire les espoirs, madame, permettez-moi de vous dire que l'espoir est déjà fait depuis la Constitution de la 7 République, mm. dans ses articles de 11, 12, 13 euh, qui, ont, qui, stipulaient que la personne humaine est sacrée, qui ont développé la sacralité de la vie humaine mm. et de l'inconscient. À partir de là, la peine de mort est devenue automatiquement, systématiquement inconstitutionnelle. Mm-hmm. Donc, euh, depuis la loi suprême de l'État. Comme euh, vous venez de donner une référence, je suis forcé d'en parler. 2010, effectivement, le Conseil de, national a fait une tentative de voir s'il y aura un projet de loi qui va abolir la peine de mort au Niger. Mais malheureusement, on a senti que les acteurs n'étaient pas bien préparés. Et nous, sur le terrain actuellement, nous avons fait tout le tour du Niger. On a fait des, campagnes de sensibilisation, on a fait des, ateliers des faiseurs d'opinion, mhm. parce que les gens souvent accusent euh, la population, euh, euh, comment je sans argumentaire possible. Il n'y a mhm. pas une étude actuellement au Niger qui prouve ce qui bloque la peine de mort au Niger. Il a l'évidence, les gens souvent accusent les religieux. Mhm. Nous, on a fait des ateliers de, de, de, avec les religieux à travers des campagnes de sensibilisation, des journées d'information parlementaire, mhm. des tables rondes. Et rien que ce soir, Inch'Allah, je profite de votre micro, nous aurons euh, une table ronde qui va réunir tous les acteurs autour de la question de la peine de mort. Mhm. Actuellement, dans le monde, il y a 93... Euh, la loi sur l'abolition de la peine de mort existe dans 93 pays, mhm. mais seuls 23 pays euh, appliquent encore la sentence de mort dans les 192 pays. Mais selon vous, qu'est-ce qui freine son abolition ici au Niger le blocage, euh, nous, on ne doit pas, je ne regarde pas la CNDH pour le dire, c'est <laughs> juste un manque de volonté politique. parce que de notre point de vue, dès lors que la Constitution, qui est la loi suprême de l'État, a déjà consacré, a déjà manifesté l'inconstitutionnalité de, la peine de mort mhm. et que la sacralité de la vie humaine, nul ne doit ôter de la vie de, quelqu'un, la personne humaine est sacrée. Alors là, moi, nous, on pense que de là, normalement, ça s'applique systématiquement. La peine de mort est abolie. le code pénal, comme le magistrat vient de le dire, si le code pénal maintient encore ses dispositions, nous, on comprend que le juge euh, n'a rien d'autre à faire que de le prononcer en cas euh, de circonstances qui, qui, méritent de condamner à mort. Je ne veux mm. pas encore citer ce qu'il a dit. D'accord. Euh, Monsieur Al-Mustafa de la CNDH, la peine de mort, comme le disent bon nombre de personnes, viole les droits de l'homme, particulièrement le droit à la vie. Que pouvez-vous dire sur cette situation eh, Madame, merci. Eh, eh, comme vous l'avez dit, effectivement, la peine de mort viole le droit à la vie. Et nous n'avons pas besoin d'aller très loin pour le, chercher. Mhm. Et plusieurs instruments, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, confirme ça. Et vous, avez, vous savez aussi que eh, le droit à la vie est le premier droit de tout être humain. Mhm. Donc ah, la loi le protège et quelque part, il est dit qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de quiconque. Vous conviendrez avec moi, donc c'est le premier droit d'une personne. à défendre. Mm-hmm. Maintenant, lorsque quelqu'un est, condamné à mort, mettre la bien défini. définie, il a parlé aussi des différentes sentences, la façon dont elle doit être exécutée, la personne doit être exécutée. Vous voyez, avant même, même pendant votre séjour dans les couloirs de la mort, mhm. vous subissez plusieurs cas de torture, plusieurs traitements inhumains dégradants. Et c'est pourquoi, euh, fort en tout cas de tous ces instruments que notre pays a ratifiés, mhm au niveau de la Commission nationale euh, des, droits humains, tout en saluant en tout cas les efforts fournis par l'État pour aller dans l'abolition de la peine de mort, le président de la coalition contre la peine de mort du Niger l'a dit, les efforts. Mais force aujourd'hui est de constater, je n'irai pas sur le terrain pour dire que c'est absence de volonté hmm. politique, mais c'est parce que eh, eh, le dispositif au niveau du code pénal le prévoit et donc le juge est obligé eh, de, l'appliquer. Mais ce qu'il faut véritablement retenir, le Niger est parti à plusieurs euh, protocoles, à ratifier plusieurs textes. Mhm. Maintenant, il faut toute une stratégie pour abolir la peine, de, mort. Il y avait des tentatives en 2010. Aujourd'hui, en tout cas jusqu'en 2016-2017, le président de la République a eu à commier toutes les condamnations de peine de mort à des peines à perpétuité. C'est vous dire que même si on n'a pas aujourd'hui une loi qui abolit la peine de mort, mais on doit reconnaître quand même des efforts que eh, eh, le gouvernement, l'État, l'État est en train de faire. Et c'est en ce sens-là que la CNDH accompagne l'État, accompagne les organisations de la société civile, accompagne tous les mouvements abolitionnistes pour voir ensemble quelle est la stratégie à adopter pour réellement, abolir la peine de mort. Mm. Parce que eh, eh, eh, le président de la coalition nigérienne l'a dit, aujourd'hui, c'est la tendance universelle. Il mm. vous a donné des, des chiffres qui parlent. Aujourd'hui, autour de nous, des pays ont aboli la peine de mort. Le Bénin, l'a aboli, mhm. le Mali l'a aboli, le Sénégal l'a aboli, le Burkina Faso l'a aboli. Tout récemment, la Gambie vient de l'abolir. Oui, comme vous l'avez dit tout de mhm. suite, euh, que le Niger a ratifié des instruments juridiques internationaux qui condamnent la peine de mort. Euh, rien n'est fait cependant pour harmoniser ces instruments au cadre juridique ici au Niger. Comment comprendre cela Non, madame, eh, eh, vous savez, je parle sous le contrôle en tout cas du juriste pour euh, euh, peut-être harmoniser les engagements internationaux à nos textes, c'est tout un travail. Mhm. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que c'est tout un travail. Ce qu'il il, il va falloir faire, c'est seulement d'accompagner, continuer à plaider auprès du gouvernement, puisque quelque part il y a une volonté. Mais parfois, eh, nous sommes dans un pays où tout est tout est prioritaire. Mhm. Et nous pensons que c'est là où il faut saluer ce que font euh, les, organisations, de la société civile et nous en tant qu'institution nationale des, droits humains. Et chaque fois, même tout récemment, euh, lors de la présentation du rapport de la Commission nationale des droits humains, mhm. c'était une recommandation très forte que la CNDH a eu à faire envers le gouvernement pour effectivement abolir la peine de mort. nous nous sommes compris que c'est une <laughs> stratégie, mhm. ce n'est c'est c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond et il va falloir que nous nous engagions à continuer à plaider. Le moment viendra où, Inch'Allah, le Niger va abolir la peine de mort. Merci à vous, Maître Barry. Donc, euh, selon vous, qu'est-ce qui explique euh, cette lenteur euh, du, au Niger d'abolir la peine de mort Le Niger déjà a fait un grand pas parce qu'en n'exécutant pas les condamnés à mort. Parce que les dernières exécutions à mort remontent en 1976. Et la population nigérienne à l'époque déjà avait manifesté sa réprobation de telles sanctions. C'est déjà une bonne chose, un premier pas qui est fourni. Et en 2012, le Niger a soumis à voter en faveur du moratoire. Est-ce que vous voyez, pour l'abolition de la peine de mort. Mm-hmm. Comme il l'a dit, c'est un processus, c'est un plaidoyer. Il faut aller étape par étape. Mm-hmm. Du moment où il y a une volonté politique au plus haut sommet de l'État, mm-hmm. parce que déjà, le précédent intervenant disait que le président de la République a déjà pris une décision de communier les peines de mort à emprisonnement à vie. Mm. Donc il y a déjà un grand pas qui, est, Oui, qui est fait ça reste à venir. D'accord. Euh, on les voit des condamnés croupissent dans les prisons pendant, euh, pendant des décennies avant de bénéficier de la grâce du chef de l'État. Est-ce à dire que même si la peine de mort euh, n'est pas abolie au Niger, elle tend à disparaître elle a même disparu, si on peut dire, bon, par rapport à son exécution, bien évidemment. Parce que, comme ils l'ont dit, la peine de mort existe dans le code pénal et le juge pénal est chargé de l'application de la loi. Donc la loi pénale est d'interprétation stricte. Donc on ne peut pas faire pour dire. Mm. Mais maintenant, par rapport à l'exécution, déjà, aucune exécution n'est faite par rapport à la peine de mort. Déjà, une avancée. Maintenant, ceux qui restent en prison par rapport à la grâce, il faut un peu distinguer la, la grâce est-ce que vous voyez de, l'amnistie et mhm. autres Par rapport à la grâce, c'est une décision discrétionnaire qui appartient au président de la République. C'est lui qui décide. Mais il y a des personnes qui sont insusceptibles de bénéficier mhm. de cette grâce notamment donc les auteurs de grosses infractions, des gens qui sont condamnés pratiquement à mort. Mhm. Quelles peuvent être les conséquences pour un État qui exécute la peine de mort ou qui refuse de l'abolir Heureusement, au Niger, on ne l'exécute pas. La plupart des États sont partis aux conventions internationales au pacte international relatif aux droits civils et politiques, donc vous voyez, qui prévoit des dispositions tendant à abolir la peine de mort. Mhm. C'est Ce n'est pas une bonne publicité mhm. pour l'État même par rapport au respect des droits humains, par rapport au respect de l'état de droit d'une manière générale. Est-ce que vous voyez Il faut que l'État doit respecter ses engagements. Et quand on prend notre constitution, elle dit que les engagements internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle de la loi. Mm. Donc Dieu merci, le Niger n'étant pas dans cette catégorie, c'est à saluer quand Monsieur Al-Mokhtar. Euh, Permettez-moi d'abord de brosser la situation sur la question de la peine de mort au mm-hmm. Niger. Actuellement, à ce jour, rien qu'hier, on était en réunion technique avec les services techniques de l'administration pénitentiaire euh, le Niger a 20 condamnés à mort actuellement. Le Niger a 24 condamnés à vie suite à la commutation systématique. Mhm. Et ce qu'il faudrait dire, le Niger est un pays abolitionniste de fait. Le Niger n'applique pas euh, la sentence de, peine de mort. Mais il faut toujours le retenir. Nous, en tant que coalition, en tant que structure, parce que nous entendons beaucoup de choses dans la rue, c'est normal, les gens ne peuvent pas comprendre, ils ne font pas la nuance entre lutter contre la peine de mort n'est pas libérer des criminels, voilà. n'est pas libérer, mais il faut appliquer la peine de mort selon le régime. Je l'ai bien dit, la Constitution du Niger a d'office eh, extirpé la question de la condamnation à mort. Mhm. Alors, pourquoi certaines dispositions... D'aucuns disent même que ça favorise la criminalité. Et eh, là, permettez-moi de le dire, eh, les gens sont surpris. Si en 2019, ou bien il a fallu juste la création d'une structure pour que euh, la communauté nigérienne sente qu'il y a des actions sur l'abolition. Mhm. L'abolition de la peine de mort ne date pas d'aujourd'hui. Mhm. Le Tibet a aboli la peine de mort depuis 1824. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, le, le, Venezuela a aboli la peine de mort en 1863 le Costa Rica en 1882. Hmm. Vous voyez bien. Donc, euh, au niveau de, de, beaucoup d'États de l'Union européenne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hmm. Alors, comme euh, mon, précédent l'a dit, euh, le commissaire Al-Mustafa, nous, au Niger, on se pose la question. Parce qu'on vit avec des pays avec lesquels on partage les mêmes cultures, les hmm. mêmes mœurs, les mêmes civilisations, tels que le Mali, tels que le Sénégal, tels que la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, la Guinée, la Gambie le Sénégal, le Togo, euh, le Maroc, pour ne pas me répéter. Vous voyez ces pays abolis. Mhm. Et le Niger a signé les mêmes conventions. La résolution 6249 euh, portant sur euh, comment le moratoire et les exécutions universelles. Mhm. Et rien qu'en décembre 2018, le Niger a voté en faveur de la résolution se, rattachant au moratoire et, au pacte international visant à abolir la peine de mort. Vous voyez bien. Alors, ce qui bloque, Aujourd'hui, nous, effectivement, nous pourrions dire dans la, nous pourrions être dans la position de dire qu'il y a un manque de volonté politique, parce que <laughs> on sent qu'il n'y a aucun blocage normalement, de mhm. mhm. dès lors que la conscience l'interdit systématiquement. Mm-hmm. Et dès lors que l'État du Niger aussi est en train de faire des efforts, comme l'autre l'a dit, nous nous reconnaissons. Mm-hmm. Nous reconnaissons sincèrement que l'État du Niger, parce qu'on on, pourrait dire un gouvernement abolitionniste, mais eh, la journée d'information parlementaire que nous avons fait nous a permis d'identifier la part des choses. Il y a des parlementaires qui se sont posés la question est-ce qu'il y a même la peine de mort au Niger mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a une petite eh, une petite nuance, et une petite information qui manque mhm. et une petite sensibilisation par rapport aux efforts de l'État. La remontée du terrorisme, effectivement, il faut le faire. Nous étions peut-être à deux pas de l'abolition, si nous osons le dire. Nous, en tant qu'organisation de défense des droits humains, à l'issue des résultats de, de, nos caravanes de sensibilisation, on a compris que la population est prête, on a compris que les religieux sont peut être prête mhm. avec les associations auxquelles nous travaillons et les, éléments auxquels nous travaillons. Et nous avons senti simplement que euh, il y a un mécanisme auprès du ministère de la Justice qui mérite d'être accompagné. Euh, je ne peux pas parler au nom du euh, à la place du magistrat. Le code <laughs> pénal doit être révisé pour essayer d'extriper, de supprimer toutes ces dispositions. Il l'a bien dit. Mhm. Il y a un certain nombre d'articles de, de, qui, euh, si, les, infractions cumulent, et euh, qui conduit à la peine de mort. Je ne veux pas les répéter, l'assassinat, le complot de meurtre, la complicité de meurtre, etc., mhm. d'assassinat. Nous allons marquer une petite pause, euh, le temps de poursuivre à cette émission. Les enfants victimes invisibles, c'est la thématique de la 17e journée mondiale contre la peine de mort. Monsieur le mokhtar de la coalition contre la peine de mort, selon vous, pourquoi le choix de ce thème cette année Véritablement, nous avons suivi des cas. Par exemple, euh, madame, il faut le dire, les enfants dont les parents sont condamnés à mort ou exécutés portent un lourd fardeau émotionnel, mhm. psychologique, qui peut fortement porter atteinte à leurs droits qui dit droit nous, devons jurer de plusieurs droits. Droit à la vie, droit à la santé, mm. droit à la propriété, droit à l'hygiène, droit à l'éducation. Mais nous avons compris que ces enfants risquent d'être stigmatisés. Mm. On a vu dans beaucoup de cas. Prenons l'exemple d'un enfant euh, en, en, Iran qui est né dans la prison. Un mois avant sa naissance, son père, son père fut exécuté. C'est parce que ses parents étaient condamnés à mort. Un mois avant sa naissance, eh, cet enfant voit son, père décédé, Et trois mois après sa naissance, sa maman fut exécutée dans la prison. Oh cet enfant aujourd'hui a une quarantaine d'âge. Alors, s'il vous, vous, vous renvoyez la question, quelle attitude devons-nous porter face à cette situation mm, Donc, il faut dire que eh, ça va jouer sur l'enfant parce qu'il y a la crainte des représailles, il y a eh, le blocage des droits. Mm. L'enfant a besoin d'une approche euh, psychologique, d'un soutien familier euh, portant, et qui peuvent remplir les, normes sociales. Mhm. Souvent, on a vu dans des pays, c'est des enfants qui sont sur les représailles, les victimes, de, ou qui ont, qui ont, les victimes qui ont pris le coup d'un de, de élément de la famille qui a été assassiné mhm. veulent faire les représailles eux-mêmes. On a vu des maisons brûlées, on a vu des enfants torturés. Mhm. Donc, euh, ces enfants, sincèrement, euh, suite à nos dernières visites, permettez le dire, on a été à Zender, je ne veux pas citer encore les noms, parce qu'il y a des condamnations à mort qui ne sont pas encore définitives. Mm-hmm. Je l'ai dit, on a été à Zender, euh, au lendemain de la, prononciation de la cour, cour d'assises au mois de mars passé, mm-hmm. il y a eu cinq condamnations à mort. Un a pris la fuite et les quatre actuellement croupus sont détenus à la maison d'arrêt. Parmi eux, nous regrettons qui avait un jeune qui n'était pas majeur, mhm. qui était condamné à mort en 2014 et à moins de 18 ans et qui se voit en 2019 condamné à mort de manière définitive. Donc s'il vous plaît, en ce moment, comment euh, est-ce que cet enfant, comment il peut, il peut il peut continuer à vivre avec cette erreur judiciaire. Parce que nous, pour nous, c'est un mineur. Mhm. Le juriste est là, il va répondre, à M. Barry. Les mineurs, est-ce qu'ils bénéficient d'un traitement de faveur qui empêche leur condamnation à mort Ils bénéficient normalement d'un traitement de faveur en fonction de leur âge, c'est-à-dire qui est la minorité. Parce qu'il faut faire la distinction déjà. Le mineur de moins de 13 ans, est pénalement irresponsable. Lui, a perdu moins de 13 ans, il ne peut pas être poursuivi. Maintenant, au-delà de 13 ans, 14, 15, 16 ans, il peut être poursuivi pour les crimes qu'il a eu à commettre. Mhm. Et souvent, la tendance adoptée même, c'est l'alternative pratiquement à l'emprisonnement même du mineur. Il y, a, un projet au niveau de la CNDH et également au niveau du ministère de la Justice. Mhm. Et il y a ce qu'on appelle les centres techniques et d'orientation pour essayer de prendre en charge les mineurs en conflit avec la loi. Voilà. Ok. Al-Mustafa de la CNDH, est-ce que au niveau de la CNDH, il y a des mesures ou des intentions pour protéger ou bien, si on peut le dire, soutenir les enfants dont les parents sont condamnés à mort oui, madame, effectivement, d'abord, et en tout cas, permettez-nous de, saluer en tout cas le thème choisi par euh, le mouvement abolitionniste cette année, mm. les, enfants, les victimes invisibles de, la peine de mort. Et au niveau effectivement de la Commission nationale des, droits humains, nous avons une direction, un groupe de travail qui s'occupe euh, de la promotion, de la protection des droits des enfants, des mineurs, des femmes et des personnes âgées. Mm. Et en tout cas, eh, eh, tout récemment, je sais que eh, dans nos missions au niveau d'Agadez, Tawa, Zender, y compris même à, Niami, Niamey, nous rencontrons en tout cas tous les détenus, y compris même ces condamnés à mort. Mm-hmm. il faut sincèrement le dire au Niger, la situation elle est meilleure par rapport aux, autres pays parce que il n'y a pas une mesure spécifique au niveau des prisons pour ces condamnés à mort. Ils, sont avec euh, les, autres. Mhm. Nous nous sommes quand même permis de les interroger, d'avoir euh, leurs euh, préoccupations. certains ont effectivement demandé des, demandes de transfert pour être à côté de leur région où ils peuvent recevoir les visites des malades. Mhm. Dans ces missions, nous étions avec euh, le représentant du ministère de la Justice et toutes ces demandes au niveau de la CNDH, nous essayons de les, faire effectivement euh, aboutir. Mhm. Hier, avec euh, le mouvement abolitionniste, on a rencontré par exemple les condamnés à mort au niveau de Niamey où nous avons posé un certain nombre de questions par rapport à s'ils ont des enfants, quelle est leur situation, pour que effectivement la CNDH puisse voir et eh, des, quelles sont les dispositions à prendre pour, les que, pour les soutenir. Il ne faut pas que les enfants subissent effectivement eh, comment dirais-je, euh, euh, euh, les mêmes sorts, les mêmes sorts que, que leur parce qu'ils n'ont commis aucun crime. Et donc, c'est à ça que nous sommes en train de, de nous atteler. Mhm. Mais il faut le dire sincèrement, en tout cas, au Niger, on peut s'estimer heureux. Et Mokhtar a donné tout de suite le nombre de condamnés à mort qu'on a. Je pense qu'on peut dire, Alhamdulillah, mais la prison reste toujours la prison. Mhm. C'est à nous de faire le, plaidoyer qu'il faut pour. Euh, mais quand même, déjà le fait qu'ils reçoivent euh, de la visite, euh, il n'y a pas de mesures spécifiques pour eux au niveau des maisons d'arrêt. Nous pensons que on peut, en tout cas, se targuer pour dire qu'au Niger, en tout cas, les droits des détenus, les droits des condamnés à mort sont, respectés. Vous pouvez le confirmer, Monsieur Almakta Oui, effectivement, Madame. Comme je venais de le dire, hein, écoutez, euh, parmi ces huit condamnés à mort de l'année 2019 qu'on a visités hier, juste hier matin, au niveau de la maison d'arrêt de, de Niamey, pour ceux qui sont de Niamey, mhm. surtout il y a une jeune femme parmi, parmi eux, effectivement, on a senti que ces enfants, euh, que, que ces condamnés ont des enfants. C'est ça le souci de la thématique de cette année en réalité, ce n'est pas simplement les enfants, les mineurs condamnés à mort, mais du coup, c'est les condamnés à mort qui ont des mineurs, qui ont des enfants. On a vu eh, parmi ces gens-là, d'autres qui ont trois femmes, six enfants qui sont actuellement dans la nature, oh qui sont abandonnés. Imaginez, eh, après neuf ans d'emprisonnement, il fallait attendre neuf ans pour vous condamner à mort. Mhm. Neuf ans, la famille est dispersée. Il y a d'autres qui n'ont d'ailleurs plus de visite parce que les gens comprennent par condamnation à mort l'abandon de la famille. Mhm. Au Niger, on, le dit, to quoi Allah c'est Allah, <laughs> excusez-moi, ou bien Hayato Ça veut dire que l'individu est, exclu de la famille. Mhm. Donc ces enfants-là, c'est notre souci. Mhm. C'est une bombe à retardement. Ces enfants-là euh, doivent être ressaisis, récupérés par la société pour les encadrer, pour les accompagner, les acteurs de défense des droits humains, l'État lui-même vous voyez bien, il faudrait que nous, nous, portons un regard sur ces enfants. C'est ça la source de cette thématique. Madame, la peine de mort a à peu près dix raisons fondamentales. Mhm. La peine de mort, est, aucun État ne devrait avoir le pouvoir doté de la vie d'autrui. De, de, mhm. ça, nous le reconnaissons à titre universel, même les mhm. livres La peine de mort est irréversible. Elle ne garantit pas une meilleure sécurité pour toutes et pour tous. Elle est injuste. Toutes les familles des victimes des meurtres ne soutiennent pas la peine de mort. Elle crée davantage de souffrances indirectes. La peine de mort est inhumée, cruelle et dégradante. Elle est appliquée en violation des normes internationales. Elle est contre-productive. Elle interdit toute possibilité de réhabilitation. Mm. Donc voilà, madame, nous nous nous posons comme question. Si nous sommes dans un régime euh, islamique charia, appliquer la peine de mort dans, sa logique. Mm-hmm. Si nous sommes dans un pays laïque, aujourd'hui comme, nos, États, les, conscients ont prononcé. Donc pour nous, euh, sincèrement, euh, la peine de mort ne devait pas exister. L'État doit continuer son courage. Nous félicitons le décret, effectivement, qui est un engagement très fort du président de la République à commis systématiquement euh, les, les, condamnations à mort à des perpétuités depuis 2016. Et comme nous sommes presque à la fin de cette émission, qu'est-ce que vous suggérez vraiment pour un Niger sans peine de mort je vous assure, euh, le monde a une tendance abolitionniste. Mhm. Aujourd'hui, dans tous les, les, 192 pays, comme je l'ai dit, qui appliquaient la sentence de mort, aujourd'hui, il n'y a que 10 pays seulement au monde qui appliquent la peine de mort. Je vous donne quelques exemples. En Iran, en Chine, aux États-Unis, il y a quelques pays, au niveau de l'Arabie saoudite, etc. etc. Ce que nous, nous faisons comme appel sincèrement, l'État doit continuer ses efforts. L'État doit continuer d'appuyer nos structures vraiment par rapport à la question de l'abolition. Les, religieux doivent continuer la sensibilisation et nous, en tant qu'acteurs abolitionnistes, nous devons continuer. Et vous, la presse, mm-hmm. surtout vous, la presse, parce que <laughs> vous êtes censés être parmi nous et en dehors de nous. Merci beaucoup, Barry. Comment vraiment aboutir à une à, l'abolition de la peine de mort ici. comme il l'a dit, moi je dirais donc euh, c'est le lobbying et le, le plaidoyer. Hmm. Continuer à sensibiliser et l'État déjà a fait un pas et de continuer dans ce sens. Parce que de toute façon, le Niger l'a proclamé dans sa constitution du 25 novembre 2010 qu'il est profondément attaché aux valeurs des droits de l'homme. Et partout, si vous, ferez, la comparaison avec des autres États, quand même, le Niger est beaucoup en avance sur le respect des droits de l'homme, sur le respect des droits fondamentaux de l'homme par rapport à certains États. Et le mhm. Niger aussi doit continuer. Déjà, depuis 116, il n'applique pas la peine de mort. Il doit encore continuer peut-être pour aboutir à la réforme du code pénal mhm. qui va tendre à la suppression de cette peine. Merci à vous. Al-Mustafa, je finis, je termine avec vous. Euh, que, quelles sont vos recommandations pour euh, aboutir à la peine de mort les, recommandations, euh, la Commission nationale déjà, la Commission nationale des droits humains l'a déjà faite lors de la présentation de son rapport 2018 au niveau de l'Assemblée nationale, où nous avons fait une forte recommandation pour demander à l'État d'abolir la peine de mort cette recommandation s'explique par le fait qu'aujourd'hui, eh, Maître l'a dit, eh, le Niger est cité en exemple comme un État dans lequel les droits humains sont respectés. Je suis au niveau de la Commission nationale des droits humains. Aujourd'hui, la CNDH assure la présidence de l'association francophone des INDH vous voyez, c'est extrêmement important. La Commission nationale est vice-président du réseau international des droits humains. Vous voyez, tout récemment, en tout cas, le, chef de l'État, en tout cas, a, a, pris aussi des engagements très forts. Je pense qu'il faut accompagner toutes ces politiques-là. C'est là où nous saluons en tout cas euh, les efforts des organisations de la société civile si la CNDH a accepté de parrainer les activités rentrant dans le cadre de la commémoration de cette journée. C'est pour vous dire effectivement que nous sommes convaincus que effectivement euh, la peine de mort, si nous continuons à le garder dans nos, au niveau de nos codes pénals, au niveau mhm. de tout, on, on, un jour, le Niger risque d'être cité comme mauvais élève, mauvais pays. Et le Niger, n'évoluant pas en vase clos, nous avons intérêt à faire le plaidoyer, comme il l'a dit, à continuer à encourager le gouvernement pour qu'un jour nous puissions abolir la peine de mort. J'ai dit que ce n'est pas une course de vitesse, <laughs> c'est une course de fond, c'est un processus. Il faut que nous nous engagions dans ce processus. Et moi, je reste, madame, je reste <laughs> convaincu que le Niger va abolir la peine Effectivement, madame, nous, allons, rapidement, hein. nous allons profiter pour poser une question à la communauté internationale et à la communauté nigérienne. Mhm. Est-ce que nous avons le droit de prendre le couteau, de, prendre, de reprendre le couteau du criminel et venger ou bien tuer, ôter la vie de quelqu'un. Est-ce que nous avons le droit de ne pas respecter notre loi fondamentale qui a déjà interdit la peine de mort Est-ce que nous avons, quel sort nous allons réserver à ce lot d'enfants qui ont vu leurs familles proches et parents condamnés à mort et qui errent dans la nature. C'est avec donc toutes ces questions que nous clôturons cette euh, émission. La peine de mort, même si elle existe ici au Niger, elle n'existe que de fait selon les organisations qui luttent contre cette peine de mort. Il faut encore beaucoup plus d'efforts euh, de tous, tout un chacun pour vraiment aboutir à une abolition effective de cette euh, peine de mort au Niger. C'est ici que prend fin cette émission. Nous étions avec M. Garba Ilou Al-Mokhtar de la coalition nigérienne contre la peine de mort. Merci à vous d'être venu. Al-Mustafa idée de la Commission nationale des droits humains, merci aussi à vous. Et Maman Lawal Bari, le juriste, merci. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo. à la technique Issa Lawali. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalongo. Au revoir.